outside. les amis jeunes, merci de nous recevoir. C'est vous, vous écoutez Studio Tamani, Studio Yafa Studio Kalangu à travers les radios partenaires. ici avec Abibou Garba, le co-animateur. C'est comment mon cher Bonsoir euh, Wegalo, bonsoir amis jeunes de la FADA, du grain C'est l'heure de votre émission hebdomadaire euh, Tous à la FADA, Tous au grain. Cette émission est une coproduction justement Wegalo de la Fondation Hirondelle, Studio Tamani, Studio Yafa et Studio Kalangu du Niger. C'est pour vous dire que cette semaine, nous sommes très très très loin de la cité de 333 et nous sommes très très très loin de la cité de Trois c'est-à-dire la ville de Bamako. Et nous sommes à Niamey, c'est vous, Abibou. Le thème que nous allons aborder avec nos amis jeunes, Jeunesse Sahel face à la migration. Quelle piste de solution, mon cher on va voir aujourd'hui avec euh, nos amis jeunes pourquoi les jeunes ils s'intéressent vraiment à l'exode, à la migration irrégulière et aussi avec nos chers invités, des spécialistes à la matière, ils vont nous dire quelles solutions, comment faire pour en finir avec Alors, pour pouvoir en discuter, nous sommes avec Mohamedou Hamissou, expert à la migration. Bonsoir, mon cher. Bonsoir. Il y aura également Abba Hassan Boubakar, membre de la société civile. Bonsoir. Bonsoir. Amadou Zouré, ancien migrant. Bonsoir, c'est comment Bonsoir. Avant de donner la parole j'espère on va écouter un question ou bien d'autres contributions venant euh, des femmes de la FADA. les femmes de la FADA, les femmes du grain adama moi, j'ai deux questions. Ah. La première, si un migrant peut répondre à cette question, c'est qu'est-ce qui fait que ces migrants, ils ont le courage d'économiser beaucoup d'argent, mais au lieu de l'investir dans, dans leur euh, localité respective, ils préfèrent aller en mer où ce n'est même pas sûr, c'est risqué de même perdre sa vie. Maintenant, aux experts, est-ce que ces migrants, c'est c'est comme c'est le manque de politique des, euh, des, autorités, comme ils l'ont dit, ou bien c'est parce que ces migrants aussi n'ont pas peut-être la, patience d'attendre, parce qu'il y a aussi des, des, entrepreneurs qui ont fait plus de 10 ans, 20 ans même, avant de réussir, avant le, avoir tout le luxe dans lequel ils sont aujourd'hui. C'est la deux questions que j'ai en fait. Merci beaucoup. On prend encore une, une, une question venant d'une femme. Et voilà. Les filles, femmes, occupez les, médias. À côté de toi, derrière le Kaltoum. Agoman. Angono Nibanda. Ok. Tirez quoi, Oh, onga, Oh, Koyaga. <laughs> koyaga. Même si c'est en langue, ma chérie. son Nino, quoi. Mets-toi à l'aise. Ah. On amène le micro. Eh bien. Ok, Babiti, ka, ka. Mata kace, mata kace, mata, mata kace. Mata, mata. Passe le micro, elle est là, Oh, oh. Voilà, il y a une là-bas. Ouais, applaudissez, passer. Applaudissez. Bonjour à tous. Bonjour. Je réponds au nom de Ali Soga Alia. Je suis étudiante en deuxième année de droit à la FSJP. Euh, ma question est, au fait, il y a beaucoup de reportages et de sensibilisation sur les dangers de la migration. Mais pourquoi avec tout ça, les gens sont incités à y aller pourquoi ils, ont toujours cette volonté d'y aller. Merci beaucoup. Oui, Abibou, malgré de nombreuses sensibilisations qui ont été effectuées, on pense que tout est beau là-bas, on pense que tout est rose. Alors, la question sera adressée. Moi, je préfère qu'on écoute d'abord Adamou qui va nous raconter oh. comment est-ce qu'il a vécu euh, euh, son histoire et aussi euh, quelles leçons il a tirées. D'accord, Adamou, on y va. Merci beaucoup, cher public. La question m'intéresse beaucoup. On dit souvent que les conséquences corrigent mieux que les conseils. je remercie Merci beaucoup, la jeune dame qui m'a posé la question. Pourquoi on entend certains dangers ou les, reportages et puis on continue de partir Je voudrais m'adresser aussi au cher public. Excusez-moi pour le mot, mais il y a la contribution aussi des parents aussi qui nous motive de partir. Vous voyez, nos parents africains, quand vous êtes six dans la famille et il y a deux qui réussissent, c'est-à-dire tous les trois qui sont derrière sont humiliés dans la famille. Vous ne rien dans la famille. Vous ne présentez rien dans la famille. Mais en Afrique, on, reconnaît toujours le petit frère qui a l'argent, puisque le grand frère qui n'est rien. Mais nous, on a une culture aussi qui dit, même si on n'a rien, on est quelque chose dans la famille. Parce que en Moro, on dit, on dit un mauvais corps là. Uh-huh. Il y a un jour aussi qu'on a besoin de ça. Mais ce qui motive, c'est les parents. Parce qu'on est toujours humilié dans la famille. Ouais, c'est un petit qui. Euh, la chance lui a apporté, a réussi dans la famille. On pense que nous qui sommes là, on n'a plus la chance euh, de réussir. Donc ça nous pousse aussi d'aller essayer ailleurs. C'est vrai que nous attendons les conséquences qui se passent sur la route. Mais on est toujours motivé d'y aller parce que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Euh, les conseils. J'étais, j'ai vu, j'ai appris, et maintenant, je peux conseiller les autres. Parce que j'ai quitté le Burkina, j'ai traversé le Niger. C'était en quelle année J'ai quitté en 97. Ok. Wow. J'ai traversé d'ici. J'ai bu à euh, arroser du jardin ici au Niger encore très pour avoir certains transports en allant à Agadez. Arriver à Agadez, c'était un peu compliqué. J'ai dû, euh, j'ai dû travailler à Agadez pour avoir de revenus encore. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas à À Agadez, c'est que j'ai refusé au village c'est ce que j'ai fait là-bas. Comme quoi <laughs> Puisque j'ai aidé, on m'a mis dans un jardin où j'ai arrosé les jardins, j'ai accueilli les, oranges, beaucoup de choses pour avoir d'argent pour aller. Moi, mon pire problème encore quand je suis arrivé à Libye, moi, mon papa, c'était un éleveur au Burkina. Et j'ai refusé de suivre les bœufs. Je me retrouve derrière les chameaux. <laughs> Donc, euh, applaudissez. c'était une aventure un peu euh, compliquée, mais j'ai dû concentrer j'ai fait trois ans. Et après, c'est mal tourné parce que c'est l'histoire est longue. Euh, voilà, les autres peuvent, euh, peuvent répondre. Ou bien tu as quelque chose à ajouter Oui, moi j'ai quelque chose à ajouter parce que je me suis retourné au Burkina en, en 2000. Et en 2001, je suis revenu au Niger et je me suis consacré aussi à apprendre un métier. Vous faites quoi aujourd'hui au Niger J'ai pris la plomberie et je, suis un piscinier. Donc j'ai entretenu la piscine et je, j'ai construit même souvent, j'ai fait le montage. Et ça aussi, c'est un compatriote qui m'a conseillé. Il travaillait euh, au, au PUNUT. Celui qui m'a pris celui comme un gardien, après, il m'a dit non, c'est mieux d'aller apprendre un métier. Et c'est là, de là que j'ai appris le métier à Isabéry. Et là, maintenant, je gagne ma vie un peu, un peu. Voilà. Bonne D'accord. Euh, <laughs> oui, la seconde, la seconde question d'Adama Amadou Haïdara. Si j'ai bien retenu la question, c'est malgré la violence, malgré les reportages, pourquoi les gens partent J'ai une réponse simple pour ça. C'est la force de l'espoir. Les gens partent parce qu'ils espèrent toujours gagner les choses. J'ai l'impression que ces reportages ne découragent pas forcément les migrants. Dans certains cas, qu'est-ce qu'on montre dans les reportages On leur dit il y a tel et tel risque. La plupart des risques auxquels on fait allusion, les migrants les ont déjà vécus. Vous en avez qui ont fait le va-et-vient pendant 10 ans sur la route. Ils sont allés, ils sont refoulés, etc. Et donc, les, risques auxquels on fait allusion, certains d'entre eux les ont déjà vécus. Mais vous avez toujours la force de l'espoir. Lorsque vous citez, euh, euh, comme l'exemple qu'il donne, 4-5 personnes, 7-8 euh, personnes qui sont allées, dont on n'a plus les nouvelles, qui n'ont pas eu de succès, les migrants vous citent une personne qui a eu du succès. Et elles vous disent, chacun joue sa chance. Vous en avez qui ont vu leurs camarades périr dans la mer, d'autres qui ont vu leurs amis partir par le désert, ils sont jamais revenus, on n'a pas de leurs nouvelles. Mais ils se disent, chacun a sa chance. Et donc, ce qui est arrivé à l'autre ne m'arrive pas forcément. Donc, ce qui fait que, quelquefois, j'ai l'impression qu'on dépense de l'argent à faire de la communication, à faire de la propagande pour faire peur aux migrants. Ce qu'ils vivent, c'est vraiment terrible, les migrants. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'aller dans des zones difficiles, là où les migrants sont restés 4-5 ans. Vous ne pouvez pas imaginer les conditions dans lesquelles ils vivent. C'est extrêmement difficile. Mais malgré tout, ils ont toujours l'espoir. Et il y en a qui partent avec la décision qu'ils ne reviennent chez eux qu'en cas de succès. Ils changent de nom. Ils s'appellent Omar, ils sont partis, ils sont devenus Pierre, Luc euh, ou Ousmane. Donc si vous cherchez Omar, vous ne les retrouvez plus. Ils coupent carrément avec leur famille, avec les amis c'est les moments difficiles. Pendant ces moments, ils ne contactent personne. Et donc, pour eux, il faut qu'ils gagnent. J'ai donné l'exemple de ce jeune Camerounais qui est parti. Il a 18 ans. Quand je l'ai vu, moi, il avait déjà 3 ans dans la migration. Ça veut dire qu'il est parti plus jeune. Il avait 15 ans quand il est parti. Alors moi je lui dis, mais à 18 ans tu peux refaire ta vie, tu es encore jeune à 18 ans, tu peux revenir au Cameroun. Ailleurs il dit non, si je ne gagne pas, je ne reviens pas. Sa décision est déjà prise. Donc malgré tout ce qu'on dit aujourd'hui, sur les difficultés, les gens qui meurent, les milliers de migrants qui meurent en, Méditerranée, ceux qui meurent dans le désert, je pense qu'il y a toujours de la force de l'espoir. L'espoir le pousse à aller et quelquefois c'est humain. Chez nous, il y a une expression en Hausa qui dit c'est-à-dire les bonnes choses ou là où on se sent mieux c'est toujours loin voilà oh. et, et, donc vous avez aussi des choses dans nos sociétés des valeurs qui font que les gens partent mais on a parlé pendant qu'on évoquait les raisons de départ euh, regardez un peu dans l'ADER euh, la région, la zone d'Etawa, qui est une zone de départ. À un moment, on disait chez les jeunes, si tu viens courtiser une jeune fille, si tu n'es pas allé à Abidjan, on pense qu'il y a toujours quelque chose qui manque chez toi. Et donc, le migrant est valorisé, il a voyagé, il a vu des régions que vous n'avez pas vues. Les jeunes filles des cantiers qui sont allées en Algérie, certaines sont revenues refoulées par l'Algérie. Qu'est-ce qu'on disait de ces filles On dit elles connaissent deux, trois monnaies, elles sont sur une zone frontalière où elles ne connaissent que le franc CFA et la NERA. Alors, elles, ont, elles connaissent la monnaie algérienne, elles ont découvert d'autres monnaies. Puis on dit, elles parlent l'anglais, elles parlent arabe. Comme quoi, il y a toujours une plus-value pour les gens qui sont partis. Donc, au-delà des échecs que certains ont vécu, pour lesquels ils tenteront plus l'expérience, il y en a qui sont partis, ça n'a pas marché, ils n'iront plus. Mais il y a toujours ceux qui ne sont jamais allés et qui ont l'espoir pour, pour partir. Voilà ce que je peux dire. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique, du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traités et partagés par nos chroniqueuses on adore ces instants où on peut se retrouver avec nos amis jeunes, n'est-ce pas Fanta Bien sûr Rabi, c'est dimanche avec moi, on va continuer de s'occuper de nos cheveux. Et en cuisine, c'est toujours la pomme de terre, la star, hein, cette semaine. Coucou les filles, aujourd'hui je partage avec vous des astuces pour assainir vos cheveux jusqu'au cuir chevelu. Donc hier, on disait, Rabi, que c'était important après un bain d'huile de bien laver ses cheveux. OK. Donc, euh, ça sera pour non seulement assainir vos cheveux, mais aussi ça sera des astuces contre les maladies du cuir chevelu, c'est-à-dire les tartes, les pellicules, les démangeaisons, les mauvaises odeurs. Donc pour cela, Rabi, il vous faut du clou de girofle et du jus de citron. Vous faites imbiber quelques graines de clou de girofle dans du jus de citron et vous massez votre cuir chevelu avec. Le clou de girofle agit comme un antibactérien sur les cheveux. Il favorise la bonne croissance. Le citron, quant à lui, assainit le cuir chevelu et lui donne une bonne odeur. À noter qu'il est possible de faire ce soin avant le shampoing pour fortifier les cheveux ou après le shampoing pour compenser la perte causée. On entre en cuisine à présent. On continue de magnifier notre star de cette semaine, la pomme de terre, avec une recette facile à réaliser. Pour cette recette, vous aurez besoin d'un demi-kilo de carottes, autant de pommes de terre, un oignon, quatre tranches de persil, un litre de bouillon de viande ou euh, une tablette euh, cube, euh, voilà, et en euh, demi-litre d'eau, 20 g de beurre, sel et du poivre. Maintenant, on passe aux étapes. Première étape, éplucher les légumes. Râper les carottes, couper les pommes de terre en morceaux, émincer l'oignon, ciseler finement le persil. En termes moins techniques, voilà. <laughs> voilà. C'est plus simple pour moi. <laughs> Faites revenir l'oignon dans une casserole avec un peu de beurre. Faites revenir, c'est un terme vraiment technique. Donc, on fait vraiment frire un peu l'oignon dans un peu de beurre. Voilà. <laughs> puis, ajoutez les légumes et le persil. Faites cuire quelques minutes, puis ajoutez le bouillon et l'eau. Laissez mijoter à feu doux pendant une heure. Lorsque les légumes sont bien cuits et fondants, passez le tout au mixeur de façon à obtenir une soupe de légumes homogène et onctueuse. Et lisse, hein, bien lisse. Puis remettez-la sur le feu, encore 20 minutes. Poivrez à votre convenance. Vous pouvez mettre euh, d'autres épices, hein. c'est vraiment à votre convenance. Avant de servir, normalement, la soupe est déjà salée par le bouillon. Donc n'abusez pas vraiment du sel. Pour vraiment la personnaliser et la faire à votre goût, mhm. pourquoi ne pas ajouter trois courgettes Voilà, les courgettes maintenant, on les trouve euh, vraiment sur le marché et elles sont délicieuses. Tout est possible. Et pour le petit plus qui fait tout, vous pouvez ajouter quelques grains de cumin au moment de servir. C'est un délice et c'est vraiment très joli. Elle a une belle couleur cette soupe. Je l'ai essayée hier, <laughs> c'était une tuerie. <laughs> bon... appétit à Bon appétit, amis euh, de la rubrique rose. On se dit à la semaine prochaine. C'était un plaisir de partager vraiment ces instants avec vous. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Bon début de semaine à tous. Stick like toffee, sip like coffee, wake up, change your mind and drop me love to hate me crazy, shady, spin me on like hot wasabi, lick me up, I'm sweet and salty, mix it up and down my body, love to hate me, praise me, shame me, either way you talk about me. I love the way you talk about me. Look at that fire got me. Uh-oh. The shit the baby's right about me. I wrote it up like origami, like she ain't wearing no clothes that you're going solo. I bet they're gonna break up. But what the hell do you know? la, rubrique rose euh, proposée par les filles du studio euh, Kalangu. J'espère que vous avez beaucoup aimé. Merci beaucoup. Voilà, Irgye Kabatora. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question encore On y va. <laughs> Ben, on laisse d'abord Mahmoud répondre aux politiques. D'abord, peut-être ça va nous servir de transition. Voilà, il y a quelqu'un qui a posé une question. Les politiques, quelles sont les politiques Il y a quelqu'un qui a posé une question sur, sur les politiques ou sur les décisions euh, du politique. Moi, je crois qu'à ce niveau, c'est une erreur de considérer la migration comme un crime. Donc, c'est vraiment une erreur pour même si même si elle est irrégulière. C'est vraiment une erreur pour nous, pour nous, pour nous, pour nos États. Et, je crois que cela été, euh, cette décision a été prise sur la pression ou sous la pression euh, des pays européens qui ont conduit même nos États à externaliser les frontières européennes. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on constate, euh, quelqu'un a évoqué la présence de plus de 7000 migrants à Samaka et au niveau de d'Agadez. Et je crois que tout ça, là, c'est les conséquences de ces politiques. Pourquoi Parce que ces politiques n'ont pas pris en compte un certain nombre de réalités au niveau local. Et à chaque fois, quand il, y a des décisions qui vont être prises. On a comme l'impression que ces décisions sont prises pour satisfaire un monde qui se trouve ailleurs. C'est-à-dire en, prenant des décisions de criminaliser la migration, euh, c'est comme si c'est pour satisfaire un monde qui se trouve ailleurs. C'est comme si c'est pour satisfaire le désir des États européens qui ne se trouvent pas dans nos États. Et là, je crois que souvent, il m'arrive de poser la question, est-ce que réellement les partenaires de nos États, c'est-à-dire les Européens, les, institutions internationales, est-ce que réellement ils sont décidés à lutter contre contre la migration irrégulière, comme eux-mêmes ils le disent. Parce que là, à ce niveau, on constate qu'il y a une absence totale euh, de priorité par rapport à leur politique. Aujourd'hui, souvent, je me dis que pour mettre fin à, ou bien pour réduire, parce qu'on ne peut pas mettre fin à une migration, pour réduire la migration irrégulière, c'est très simple. Aujourd'hui, nous avons des États euh, dans lesquels le domaine d'investissement est encore très vierge. Mais très malheureusement, nos États sont tout simplement pour voir des matières premières. Ils exportent les matières premières alors qu'il y a la possibilité aux partenaires de venir installer des usines, comme ils le disent, d'installer des, industries qui peuvent euh, prendre en charge les préoccupations de ces jeunes. Parce que tous ces jeunes qui partent, c'est dans l'espoir d'avoir un avenir meilleur. C'est dans l'espoir d'avoir quoi envoyer à leur famille. Parce qu'à chaque fois qu'un Africain quitte, derrière lui, vous allez trouver des histoires de famille tout à l'heure, il y a le tonton Boukar qui parlait de l'ADER. À l'ADER, aujourd'hui, la migration, euh, quelque part, on peut dire qu'elle n'est même pas qu'économique. C'est pour cela que beaucoup d'experts disent qu'aujourd'hui, la deuxième mamelle de l'économie dans certaines de nos localités, ce n'est même pas l'élevage, comme on l'a dit après l'agriculture. D'autres disent que l'économie secondaire dans beaucoup de localités aujourd'hui, c'est la migration. Migration. Voilà, en parlant de l'économie, euh, est-ce qu'à dire que si nos ressortissants quittent nos pays pour l'Europe, ils ne vont pas aller s'attirer, par exemple, le marché d'emploi, créer des désordres dans les autres pays, euh, euh sur le plan sécuritaire et, et consorts, amener d'autres mers, je ne sais pas, comme vice-versa aussi Bon, je pense que si le désordre, il, y en a, c'est le mot que vous avez retenu. Il y en a. <laughs> le désordre, s'il en existe, bien évidemment, je crois que c'est ces pays eux-mêmes qui l'ont créé. Pourquoi Parce que la migration aujourd'hui, des Africains vers l'Europe, c'est tout un processus. Et souvent, on parle plus de la migration des Africains vers l'Europe, alors même que la migration, la plus grosse migration qui se passe, c'est une migration interafricaine. Souvent, on l'oublie mais les médias en parlent beaucoup plus des Européens et des Africains qui partent en Europe, mais c'est une petite partie dans la migration et des Africains qui partent en Europe. Pourquoi cela Parce qu'à un moment donné, on n'est pas sans le savoir que, de par l'histoire, les Européens eux-mêmes qui étaient venus en Afrique pour chercher les Africains. On parle à l'époque de la migration forcée les Africains ont été forcés de quitter l'Afrique, ont été forcés d'aller vers l'Europe pour travailler souvent dans des grandes firmes, pour travailler dans, dans des plantations et autres. Après cela, il y a eu encore une autre période où on parle aujourd'hui de la migration volontaire. Donc c'est le paradoxe aujourd'hui du moment. Et beaucoup se demandent pourquoi, à l'époque où on forçait les gens à aller, ils refusaient de partir, alors que maintenant les gens partent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pose problème vraiment avec le processus Donc, je pense que le processus, c'est la question d'intégration C'est la politique que les pays installent à leur niveau. La migration n'est pas qu'un problème, elle peut également être une solution, non seulement pour les pays de départ, mais également pour les pays d'accueil. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'emplois, vous voyez, dans le monde euh, aujourd'hui footballistique. Il y a beaucoup des Africains, souvent même ils arrivent, ils aux Africains de penser que ou de considérer l'équipe euh, française comme étant une équipe et, globalement l'équipe de football globalement est dominée par les Africains. Je crois que tout ça là, il y a une question euh, qui mérite d'être bien canalisée. Il y a des problèmes, il y a le lot de problèmes qui est là et dans le cadre du trafic des migrants et autres mais il faut également avoir une très bonne perception de ces choses. Merci beaucoup, Mamadou. Ouais. Merci vraiment, euh, c'est très pertinent. Ogalo, tu peux rappeler à nos auditeurs euh, qui nous écoutent, euh, nos amis, Pella, ce que. D'accord, Abibou, je vais ramasser en langue fulfulde tout de suite. Aywa, on m'a dit qu'on a kali ko en boye mbirfita ke fulfulde nde du kali hono kabaru ko watta so sukabe jokkol be an bitta fa hande mi yulfiti do hen ɓe mbi hono ley afrique ɗo a tawan sukaɓe jokolɓe wala fof koɓe keddiri ko nayiri banggal guikke lobbo hono laamuji ɗi gorino ɓe jiyan du soɓe keddiki ley nokku o wala fof nafamoɓe keddi e heɓude kasen ɓe jiyan du soɓe keddiki ley afrique ɗo wala fof koɓe keɓata kasen ɗum watta soɓe jaaha le nokkule ɗe ɓe jaran soɓe ɓami fa ɓe jottiki le ley leyɗele europe to fo hono koɓe dartata ko fo ana heeɓe toon caggal muɗum do haali hono kabaru politique ngaji ko wondi e waɗede ley laamiɓe ɗum woni rumde afrique ɗo o holliti wiide sa ƴeewi ɗiɗo politique ngaji wala fof koɓe gaɗirta ɗum wala fof koɓe cakkirto sukaɓe e so wona fa wonɓe ley europe to belto hono kabaruji ɗi gori beltodu hon ɗo sukaɓe jokkolɓe fa hande birfititto ɗum woni kanko noddirteɗo abibou garba o yaaha e soray على فلفل ده ايوه باكو ما انت سوراي انت فلفل هل فلفل ده اوكي داكور هيا زرما اوه بسم الله امي جاني رانغان كاي متكار ما متكان سوندا مامودو نا فاماندي دا كان عمر غالو فسار بوريس فولان شينغا انغو افاماندي كان سانكاي نو غون كان هنا يم غسامبو سانكاي مودي يم غسامبو كلا انيا سترانغ نو يم غابو انغاندا ان ساري لا باي بوراي م غابو بوراي مي غاباندي انغان تاري لا باي بوراي م غو كان بغشار كامبرا مانتينو بوراي ني كان اسي موغل نارماو اسي فوندو نو بوراي ما يم غاتي سي موغ اني ka ina dunya sinji borei na rugu fun nongu fo no kago nongu fo sinji zaman tun kuna yani ga hinai inga no him kai kamba den cer kambara ima yakul dogna ni borse am cha visa fo lon ko no kam borei ko ko kan kan dan dai bora ala kalom kan din tunni ko fo mu kam fondo go gate mo bor fo ne di bor bani ma ho ma bibu din ne ne jean pierre naima kanga nan o bankan no se kanga nan dai bora ba funam dugute bindilla murado agte matkan cinano iri iri Voilà, Omar Wegalo, on a beaucoup parlé de la migration. Maintenant, écoutons la musique de Lee Master qui nous parle de So, qui veut dire l'amour. Parlons euh, de l'amour, parlons du love. Euh, je suis sûr que la jeunesse va aimer. Merci beaucoup, Amizan. C'était là le son de l'artiste nigérien Limasta qui nous chante ici l'amour. L'amour est plus vieux que l'histoire de l'humanité. On va donner la parole à euh, Maïga. c'est le représentant des Maliens ici euh, au Niger. Il a certainement beaucoup de choses qu'il est en train de gérer, qu'il a eu à gérer aussi à travers euh, surtout la question de la migration. bonjour tonton, présentez-vous s'il vous plaît. Moi, c'est Khalifa Maïga. Je suis le secrétaire administratif de la CNJ, Conseil national de la jeunesse malienne. Conseil national de la jeunesse malienne. est tonton, je retire maman alors, frère, c'est comment <laughs> <laughs> c'est la jeunesse alors. Alors dites-nous euh, comment vous gérez euh, cette situation euh, des jeunes migrants qui veulent quitter le Mali pour aller en Europe via le Niger. Bon, cette jeunesse vraiment, ça fait trois ans, on travaille en collaboration avec l'OIM. Donc on les sensibilise dans les autogares ceux qui vont, ceux qui retournent, on les sensibilise. Pourquoi tu vas Pourquoi tu parles Pourquoi tu parles Est-ce que tu connais les dangers de la route Pourquoi ceci Pourquoi cela La plupart, sont des diplômés. Je suis très inquiet quand il me dit que moi, j'ai un master, j'ai un finance, j'ai un licence en temps et que tu as laissé ton diplôme, tu te jettes dans le Sahara pour... Euh, la plupart ne revient pas. Mais on a constaté cela. Et, le deuxième aspect, c'est qu'on a une fois été en mission à Banco. Euh, dans un panel de la diaspora. On a échangé avec euh, le, quelques, quelques, quelques chefs. Le, la situation migratoire fait partie des points. Donc, euh, moi, la table là où je suis. ou bien chef les, ministres, quand je dis ah, oui, La table dont je suis, c'est la table d'immigration. Il y avait le secrétariat, le secrétaire général du ministère de l'Éducation. Il a parlé du, de l'immigration, migration. J'ai dit, mais l'immigration, là, nous, nous constatons que c'est le chômage qui bouscule les enfants à s'immigrer et le manque d'emploi. Il dit non, non, non, non, j'ai dit, eh, mais chef, monsieur, excellence, j'ai dit exactement, vous m'excusez, j'ai dit, je suis sûr et certain qu'il y, a, un jardin et que le gardien de ce jardin-là, c'est un Burkinabé ou un Togolais. Pourquoi tu ne prends pas le, ton, ton, frère malien Il a dit, ah, mais tu as raison. J'ai dit, mais c'est ça j'ai un diplôme, il a un diplôme. Même le simple gardiennage, il n'en a pas. Mais Manson, c'est un étranger. Ton gardien à domicile, c'est ton gardien. Ton cuisinier, c'est un, un étranger. Donc, euh, il est obligé de, s'immigrer. Maintenant, les immigrants même, est-ce qu'ils savent le danger Comme euh, notre expert vient de dire, chaque mois béni de Ramadan, l'OIM nous appuie pour les sensibiliser. Et puis, je travaille avec l'ambassade chaque fois. Chaque jour que le bon Dieu fait, on a un lot important des, dossiers d'immigrants qu'on, bon, une cinquantaine peut-être, qu'on les fait des sauf de conduite, qui se sont rapatriés de Assamak, qui peuvent passer pour euh, Bamako. retourner, parce qu'ils se refoulés. J'ai une fois causé avec euh, un d'entre eux, il me disait qu'il est un neveu de ministre, un ministre que je le connais. J'ai dit, mais un neveu de ministre. Toi maintenant, pourquoi tu, tu pars là-bas Il dit pour deux raisons. Deux fois, il gagne, ou bien s'il ne gagne pas, il se met dans la rue pour qu'on le refoule. Si on le refoule par la voie ordinaire là, maintenant il y a l'OIM qui lui offre 160 euh, combien mille plus l'avion. J'ai dit uniquement monter dans l'avion et on te donne 165 000. Maintenant, si tu pars à Agadez, tu prends la chemin, tu te retrouves en Libye et qu'on te, on te capture, les gens là qui, euh, qui, frappe les gens en, en, manchant de rosson, qu'est-ce que tu vas dire Il dit Ah, un homme là, chaque fois tu te mets comme un euh, nourri, tu sors et tu mets dans ta tête que Ah, madame, je ne reviens pas. Hein. Si je reviens, c'est ton mari qui revient. Si je ne reviens pas, tant pis. Donc c'est comme ça. Quand il sort là, il sort seulement. Maintenant, euh, revenir là, c'est entre les mains de Dieu. Adamou, c'était la même philosophie aussi Non. Euh, j'étais parti pour un vie mais après, je me suis rendu compte que c'était un erreur. D'autre part aussi, des rapatriements, peut-être que dans ces derniers temps, c'est devenu un peu politique. Mais mon temps, ce n'était pas rapatrié par OIM non, parce fait, des rapatriement, c'est lié à plusieurs aspects. Il y a aussi des gens qui vous agressent sur la route. Il y a aussi le manque de compréhension avec ton patron qui te refoule dans la rue où tu ne sais pas où aller. Donc maintenant, il y a autre aussi, rapatriement venu euh, à la base aussi. Il y a d'autres que leurs parents les envoient de l'argent pour qu'ils retournent. Et il y a des tuteurs aussi, comme euh, le passeur qui reçoit l'argent, qui vous dribble. Donc, c'est la migration, il y a plusieurs aspects. Voilà. Donc, quand les gens disent rapatrier, passer pour OIM en pensant que tu vas avoir de l'argent pour retourner à ton pays, non, c'est fait des, c'est des erreurs parce que il y a des qui sont à la base même, qui meurent de faim. Donc c'est mieux même que tu te débrouilles même pour te trouver, trouver à Agadez et que les parents t'envoient l'argent, tu retournes uniquement à la maison que de compter sur euh, OEM OIM ou bien quoi, parce que tu peux faire euh, six mois. C'est rare même que tu trouves même les 175 000 ou bien les 200 000. Et ce n'est pas tout le monde qui passe par avion. Voilà, amis jeunes, avant de clôturer notre émission de ce soir, on va écouter la chronique euh, de l'émission Tous à la Fada, tout ce grain et on s'est dit au revoir. Amis auditrices et auditeurs, il vous souviendra que dans l'une de mes chroniques, je parlais de l'inclusion numérique et les efforts du gouvernement nigérien dans ce sens. Sauf que le dimanche 15 janvier 2023, une hausse des prix de connexion Internet a été mal perçue par plusieurs internautes. Et cela relance le débat sur la place de la connexion Internet dans la croissance économique du Niger. Une croissance qui est boostée aujourd'hui via des projets de digitalisation de différents secteurs comme l'agriculture, l'éducation, la santé, bref, tous les secteurs sociaux de base. Pour Gimba le directeur général de l'Agence nationale pour la société de l'information, l'ambition serait de réussir à digitaliser la vendeuse de Tchétchéna, notre beignet local. Alors là, vous comprenez aisément que faire de l'Internet un luxe ne fait pas partie des plans du gouvernement nigérien. Pour la plupart des jeunes Nigériens, se connecter à Internet, c'est travailler, étudier, partager des informations avec les proches et le reste du monde. Même si la connexion Internet est perçue comme un besoin secondaire par une partie de l'ancienne génération, pour les plus jeunes, Internet représente un outil et l'inclusion numérique du Niger passe implicitement par un accès universel à Internet. Chers amis, rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et surtout, apprêtez-vous. Allons décrocher les étoiles. Merci beaucoup. C'était là la chronique de l'émission Tous à la Fada Tous au grain aujourd'hui. Merci. On va finir avec cette émission, on va prendre une dernière dame. Voilà. Ouais, ouais. Oh, la femme donne, donne, donne la donne la elle va Ok, irma koy, on ka, na hein, il faut, ver koy di, ok, agwati, ka, on di manto quoi, bule koy, bule koyi nɔ koy no, angata ah, chi che hinka de, oh, salan che ka. Bonjour. Bonjour. À mon avis, vraiment, c'est comme Mohamed l'avait dit, vraiment, l'immigration, on ne devrait pas le voir comme un crime. Aujourd'hui, beaucoup de gens gagnent de l'immigration. Ils partent à l'étranger et vraiment sont vraiment leur famille. Leurs petits frères peuvent les rejoindre là-bas par euh, des avions, par des visas, ce qui est nécessaire, et aller travailler, aider aussi leur famille. On ne devrait pas vraiment voir l'immigration comme un crime. Certes, le fait d'aller par les mers, euh, mourir là-bas, c'est nous noyer ou par le désert, euh, mourir par le soif et la sécheresse. C'est vraiment pas agréable à voir, mais. Merci beaucoup, elle a sauvé l'honneur. Hein. Applaudissez, s'il vous plaît. Voilà. Tous à la FADA. Au Mali, vous pouvez nous écouter sur nos 85 radios partenaires au Burkina Faso, 36 radios et au Niger, ici, c'est de radios Abibou. Eh, amis de la FADA, ainsi s'achève notre émission. Néo Noir Kagato, Kanir Morgume, Irgaran Fondogoy, de Sourod Koukaro, Karan eh, Naganganir. Wakam lor salam kuna Matikala, Furta Sahel Rawane, de Simongel Narima, Matano Igite, Gawai Bonza, ir mamo matkanno gona ka ir burnye an kanno ifa mandir se ir mamo bore ka en kamo ko karo di himma kan ite da hayan kan ya ite bore se ine ka a harino kan dir koy ba di hinai kai ingai gi hingo to abonga di ya dir mono idu ira fo kan an bay simo mo gna armante ane bonan de sande kuldum sin kinga mandi amma an kuninga safilla filla ahimte mo digi don do iranga ke kulse merci beaucoup allah salam